nekkal mu nekk avocat bu ki nga xam ne moo di justement bu bugan gay Dany euh, Maître la Hadji Diouf kàddu yi nga xam ne itam yëkki na ko mooy ay orphan euh, dañoo bëgg li nga xam ne que moo di xañ Bougane mu daal di war a mën a euh, battre campagne si de élections parce que candidat la tout d'abord loolu rek peut-être moyen la pour daal koy war a mën a teg sur la table juge bi daal di war a mën a libérer ki nga xam ne que moo di Bougane vu que ni li nga que modi les faits euh, sont déjà passés exactement et euh, euh, la Diouf ñëw avec une confiance que ni sans Bougan Bougane va être libéré naka di jàngatee ki nga xamné que modi sa réaction moom ki nga xamné que modi Elage oui c'est normal c'est son avocat. mais il a droit d'être optimiste mais juridiquement li wax dafa am solo juridiquement que ni Bougan candidat la. Euh, si nga a que élection donc Marine Fatali elle a il s'est entouré d'une équipe de six avocats expérimentés euh, pour sa défense euh, parmi eux Gisèle nañ qui ku si ni ki nga que maître Amadou Sall mu ancien ministre de la justice sous le régime de maître Abdoulaye Wade waaye aussi beaucoup aussi et de Macky Sall ok euh, bokk na aussi si ki nga xam ne que mu di Fall ABF euh, Djibi Diallo Souleymane Soumaré ak ki nga xam ne que mu di Laaj Ba euh, ñoom nag ñu fi seen daal di ànd ki nga xam ne que mu di Bougane ensemble il présente une force juridique significative significative euh, face aux accusations qui ont xam portées porté si euh, ki Bougane le leader Bougam encore une fois lu ñu koy toppee bokk na sur refus temporaire, rébellion et outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions exactement Bougane euh, Paul avocat bi taxaw na quoi comme oui mais c'est normal c'est normal on est dans un pays de de droit donc Bougane bu mes procès warna faut wut avocat ça c'est le minimum Bougane tu même bu amulee avocat ça, état moo koy jox avocat hmm. il faut que ngeen un avocat parce qu'il ne faut pas que le procès soit un bénéfice procédural il ne faut pas mu am un vice procédural D'ailleurs on va respecter respecter donc euh, euh, la procédure normale Moi ne sais pas qui avec les procès de Ousmane Sonko parce qu'ils ont tendance à ignorer même les droits les droits de l'accusé les droits de Ousmane Sonko on a vu tous les procès ils ont bafouillé, ils n'ont pas respecté la procédure normale Moi, avec Bougan il, se doit de respecter la procédure normale Moi, madame le minimum lui lui laisser laisser le soin de constituer euh, comme une poule d'avocats s'il le souhaite de chercher ses avocats c'est le minimum donc qui doit défendre son qui défendre son dossier Mon gars, dis Nous ni une poule d'avocats pour entourer maître Eladjouf. c'est normal voilà donc loup c'est le minimum parce que yoon daf reconnaître il faut pas que mu am procedural. vice procédural alors suñu nous ci euh, ci le jugement de Bougan. dama Bougan Bougane départ le procureur le procureur lan la ko maintenant Bougan. na procureur bi la topé, Bougan. Euh, oui le procureur de Tambacounda la la topé, Bougan. refuse refuse d'obtempérer et rébellion. Mm outrage à un magistrat loolu la ñu le procureur de tambakunda le la tapé Bougane donc lolo procureur bëgg-bëggam mon nekk maintenant comme procès bi tey la dañuy les charges teg ko ci table bi ñu ne bu fekkee yenn avocat yi euh, Bougane yi da ngeen am ay preuves wala da ngeen am li ngeen di layoo ci dëgg client allez wax après ñu jox leen temps temps de plaidoirie les six avocats ñu jox leen temps de plaidoirie le mooy un procès normal et équitable et équitable surtout. et équitable alors soignez, ñëwee il faut que nous apportions pour sénégalais comprendre. alors soignez, soignez. soo hmm. parce que El Hadj Diouf fu bëgg fu du coup c'est-à-dire que ñoom alibi bu ñu avancer pour nous bàyyi bogan ils ont dit. Bougane est candidat comme les autres candidats moi maanaam dafa am la loi dafa am la loi bu nekk ci constitution Sénégal bu ñëw tënk ci nit bu est candidat il faut que ce qu'on appelle le principe d'égalité des chances des candidats exactement Bon, il y a de cela sept mois c'est ça il faut préciser dama une loi que je défendais il y a de cela mais je défendais je défendais toujours cette loi là le principe d'égalité des chances des candidats alors sauf que défendre le gars est candidat direct à la tête de liste présidentielle alors Bougan, est un figurant dans une liste Pourquoi? c'est un figurant il est à la euh, il n'est pas à la tête de liste un figurant il n'est pas à la tête de liste les têtes de liste sont les candidats directs a ni figurer dans la liste dans la liste c'est des figurants c'est des figurants boo gisee c'est des figurants parce que bulletin bu imprimé imprimer bulletin bu imprimer du photo bogan mo fay Fallou man li man dama jàng li ko. wax figurant la. figurant C'est un quelqu'un qui est dans la liste, qui est investi. Voilà le mot que je cherchais. Bogan est investi dans une liste c'est pas un candidat comme ni Wahni. non il faut que nous baillons campagne parce que c'est un candidat comme Sonko Sonko est à la tête de liste le bulletin qui sera qui sera imprimé le 17 le bulletin qui sera imprimé le 17 novembre c'est la photo de Ousmane Sonko qui va figurer dans ce bulletin là c'est la photo de Barthélémy Diaz qui va figurer dans l'autre bulletin de, de, de, C'est Amadouba, la photo de Amadouba qui va figurer dans le bulletin de Yama Akunjeri. C'est la photo de Macky qui va figurer dans le bulletin de l'intercoalition Wallou, Taku, Taku Wallou. Merci. Excepté les autres coalitions. C'est ce qu'on appelle un candidat direct aux élections. Donc, Alibi Maître El Adjouf. Ah, moi, mais c'est tout à fait logique. Hein. Maître El Adjouf, c'est l'avocat de Bogan Gaydani. Il a droit de le dire. Comme Sénégal, fille, on peut manipuler la masse en disant oui, le principe d'égalité des chances. Vous voyez, Bogan, Dara côté le bulletin. Le bulletin n'est pas entaché d'erreur. Tu sais pourquoi Il n'est pas la photo directe mais c'est tout c'est Barthélémy Diaz c'est Barthélémy Diaz la ñu war ne ah non non non non non waruñu Barthélémy Diaz parce que il est le candidat de la liste de de de comment C'est une coalition de mu tudd. Euh, voilà de Sam Sa mais avant mais Bougan qui est à la onzième position rien rien ne le garantit d'être député. <laughs> tu vois la question moi, si toutefois Bougane 11e position ñoom tamit ñu am plus de vingt députés. euh, sera certainement. Euh, mais il sort euh, député. oui là mais ah il sort. oui. jóge prison dem directement. à ça. bien sûr il sort. li nga doon ŋàññi jóge prison dem directement. c'est ça loi moo koy wax. mais est-ce que tamit loolu. kenn mënu ci dara nee naa la loi quand du ko waxtaanee dañ koy jëfee dañ koy appliquer donc les décisions de justice sont à appliquer point. même même même même tey même tey je vais te donner. je vais te donner un exemple très simple. je pense dama lay jox benn exemple bu simple. je pense que débat bi war nañ ko mën dépasser. Mhm. parce que tey ñi fi nekk tey ils ont subi tey justement. Euh, ce même traitement ak ñi fi nekkoon ci jamono yi ki nga xam ne que mm-hmm. moo Macky Sall. Mm-hmm. su demee tey ñu naan dañuy lam-laame que ni su nekkee député ne ko retirer de prison yóbbu ko directement à l'administration mm-hmm. et tant d'autres et tant d'autres est ce que tamit enfin débat boobu noonu am na sa raison d' être euh, jamono ji nga xam ne tam ñi nekk fii ñun ñoon wax que ni. Euh, nen demal état de droit aussi nen dem aussi ak li nga xam ne que moo di libre d'opinion et tant d'autres et tant d'autres enfin est-ce que ñu posé waat débat bi si à sept mois seulement justement de l'élection présidentielle xam nga yéen da ngeen di jaawale mbir. il y a pas liberté d'opinion. Bougan n'a pas fait une liberté d'opinion. Bougan a défié. Ça dit que il faut une bàyyi. il faut une bàyyi. il faut une bàyyi. non non non arrête arrête d'amener ces choses d'amener il faut ngeen bàyyi li ngeen di wax ni Bougan deful liberté d'opinion ñu pas ko. il faut arrêter Bougan keroog bu mu defee liberté d'opinion ma fan la fanaan commissariat central bu Dakar garde à vue ñu xëy libéré ko. On non-lieu nous plaçons ko sans suite On non-lieu parce que liberté d'opinion la def Nous faisons commissariat central bu Dakar nous avons libéré mais si vous ngeen mës que liberté d'opinion ñu ko dit ko est-ce que vous ngeen ko dit il faut arrêter de manipuler les Sénégalais quand même aussi Bougane lu à Bakel c'est pas une liberté d'opinion c'est une défiance une défiance il a défié l'autorité publique il a défié la première institution de ce pays. Bogan a fait outrage à un maïsra direct devant les images. Il faut arrêter ce que vous dites. Si on laisse ça, la République est à terre. Bougan, fait que président à la République est à terre. Ils ont dit défendre ils ont sur la république à quoi sert les gardes à quoi sert la gendarmerie à quoi sert l'armée nationale à quoi sert la sécurité présidentielle sécurité président ce sont ces mêmes personnes là qui vont revenir et dire les mêmes bêtises et dire les mêmes bêtises on rappelle Bougan à l'ordre, des gens, des voix s'élèvent pour dire que non, Bougan détenu politique le, il est armé même de courage des gens qui l'arment de courage, qui arment Bougane de courage, pour dire que non, Daniel Diapo Bougane, ah, parce que liberté d'opinion là, non, Bougane, euh, euh, oui, détenu politique là, il faut arrêter. Bailen, c'est Sénégal, li moko yak. Dinañu tiaxane tiaxane mbir, bo xey rek mbir mom lorñu. On joue avec les institutions de ce pays. Té ñun Sénégal, ñun ñoo réclamer ay institutions yu fortes, des institutions fortes pourquoi Bougan défie une institution forte ñu diapositive non mais il faut arrêter les gens aussi. vous parlez des institutions fortes institutions et wane seen parce que Bougan a voulu a voulu défier ces institutions là nous rappelons ko à l'ordre il ko kaso. ngeen il non non non mais man man damay jommi quoi Sénégal man man. franchement.